Bonjour, je m'appelle Ibrahim Yad, je suis étudiant euh, et maintenant des activités de commerce ici dans ce village de Kermotar. Dans ce village, euh, nous nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout sur le côté du, du, transport. Parce que ici, dans cette localité, nous avons des problèmes pour sortir du village. Parce que et tout ça à cause euh, du mauvais état euh, de, la route. Parce que pendant l'hivernal, pendant l'hivernal, nous rencontrons des problèmes pour sortir. Parce qu'il y a beaucoup de, problèmes du côté de la route à cause de ces problèmes de, de butinage. Nous, nous faisons beaucoup de démarches pour, euh, pour rendre meilleure cette route. Mais nous avons mais nous n'arriverons pas. Euh, et pour cela, nous demandons à l'État de nous subvenir en aide. Parce que ici, par exemple, sur le côté euh, de la santé, euh, quand on a des malades qui, devront, qui doivent sortir pour aller dans, dans les autres hôpitaux, nous, avons, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que l'ambulance euh, euh, et tout ça à cause je veux dire et tout ça à cause de la mauvaise état et tout ça à cause du mauvais état de la route sur le côté de l'agriculture nous avons des problèmes pour transporter nos produits euh, sur le commerce nous nous rencontrons beaucoup de difficultés pour exporter pour importer et exporter nos marchandises. Euh, nous ne faisons pas de, marche, mais, mais nous demandons de, l'aide à l'État pour qu'il nous vienne en aide. Parce que cette localité est une, parce que cette localité est une localité euh, qui a beaucoup de potentiel sur le côté maraîchage, sur le côté euh, commercial et tout ça nos élèves qui ont réussi leur BFM et pour aller dans les autres lycées pour étudier rencontrent eux aussi beaucoup de difficultés sur le côté du transport. Parce que ici, nous n'avons pas de lycée. Nous avons des écoles primaires et un collège. De ce fait, pour aller euh, de ce fait, si on réussit euh, euh, le BFM et on a le moyen pour aller au lycée, les élèves sont obligés de partir dans les autres localités pour étudier. la route n'est pas bonne pour, pour le transport. La route n'est pas bonne pour le transport et les élèves rencontrent beaucoup de difficultés. De, de ce point de vue, nous demandons de l'aide à l'État pour qu'ils nous viennent en aide euh, pour soutenir notre localité, pour faciliter nos déplacements, euh, ainsi de suite. Les villages attachés à Kermatar sont Yadé, Mbissau, Ndjegen et Ndam. Kermousso aussi. Il y a d'autres villages autour de Kermatar, euh, tels que les villages de, de Kermousso, le, Dara, Ndiren, Kersega, Kër km eh, eh, kilomètre 50, ainsi de suite cette route relie les deux routes nationales la route qui mène de Dakar à Thiès et la route qui mène de de Dakar à à passant par Noto pour Keur environ c'est 7 km. route est très cauteuse. nous nous euh, euh, pour se déplacer il faut on fait beaucoup d'efforts. Même les tarifs euh, euh, euh, du, transport sont excessifs parce que tout ça, c'est à cause du mauvais état de la route. Nous demandons à l'État de nous venir en aide parce qu'on a besoin de cette aide pour, la construction de ces routes, pour rendre cette route parfaite pour faciliter nos activités. siyaar na len bokki ci lu ngeen nek am ngeen jamm Kër motar Gueye de gis ngeen sunu ambulance bi ni da ñoo ba ndox mi fay ñun amatuñu yoon amatuñu dara lii yi bu yoboon malade gis ngeen malade bi yoboon auto ko ji jël yobu ko gis ngeen ni la demee yalla xam na ko commune ñoko ko duma du wax muy jander Kër musa Pout ñoko ko ngeen ni tali mom moy suñu problème cin waa Kër geey ci ga ties loolu 200 francs moy passe pour dem ties mais gis nga ko ni jige Dakar u trop mais mu ñoom tali gis ngeen sunu ambulance bi ni nga ndox mi lepp ndox la amul fu mu ci ndox mi la jaar nga ko ni dal di fay lii ci ab tali senegal ci région de Thiès sa nga ko pour Kër Matar set kilomètres avant ñu juddoo ba léegi tali nii dañ ko fekk ñu juddoo ba léegi fekk ko nii président yi bari jaar mun ñu fexe ba am tali bu baax lii booy reyante seen bopp nii di nattaka defar pour am tali lii ñaaw na trop barke alxuraan wala lii rek bu tawee doo jàll kii boo fan nga bala nga àgg mu Siar siar sama tiktok siar na len jox sen wati way sama kaddu yal len fek ci si sen mbok malik gel. wa batay waaw ba di wax si bi ndax yon lo ni ben yon lo bo xamanteni mom bu yon be yon bi bi jaar put, japp ndam lo bi musa na fe selani ni jaar mais yon bi ab teggile won bo xamanteni mom monu da dimbali permettre ñu fi aw bu yon musa na yàqu mais yon bele dafa yàqu yon bi mo gene je keur Musa gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni tali la talila ambulance bi yon benen fay bi mënoo fi la fayé yon bi ci la ambulance bi fayé té yon bi mom lañ réservé won porte ci jaar mais gis ngeen ni mel wa dem ak dikk bi mom so waxé na fi loolu loolu wayé état bu bëss ñu ngi leen ci daagaanu bu baaxa baaxa baax yene sun dernier sens ci tali bi yalla xam nako 1960 ba légui la won nak mais yàlla xam nañ dal ñu ngi leen di wékk di leen ci talal loxo baax baaxa baax baax sonko jamaay jamaay sonko sonko jamaay jup jubal jup jubal jubanti gaa gaa nag ñu ngi doon dem nak ci gamu gi wax wax dëgg yalla non lañ sonne ci yoon bi Gamu Tiwaawan gi wees seen yoni ni mel gis ngeen ko ni yalla xamna do xam sax fi nga waraw mom sa yu tawé rek yon dee bon yoni dafa dem ba dab ban fi dol ni ban bi la dab manam euh, latrik bi mo jeex ba dab ban euh, bi fi dol ni mo moo tax fi mu toll nii si nguur gu bes gi ñu dimbali ñu ci wax deug yalla ñu neena la limay wax rek ñun ñu ma talibu ñu sa ñun raanaan bu saf latrik buñ ko amé dañuy jël latrik bu saf sap buñ ko amé dañuy jël wax deug yalla wasalaamaaleykum alaykum warahmatullahi jërë ñi ngi dimbali ñu jël de gis ngeen yoon bi ni dara baaxu ci gis ngeen ko ni ambulance baay ni ñun Kër Matar geey yi bu yabee malade fan la jëm gis ngeen ni mi def ci ndox mi son nañ ci torop bilay mun ñom talib baax talib bi dara dara dara baaxu ci gis ngeen ambulance bi ni mi sonne ci ci yoon bi ni par ambulance bi yalla rek fay metti yoonu Kër Matar geey bi gis ngeen ko ni way nañu dimbali suñu talib bi talib bi dara baaxu ci gis ngeen ambulance bi ni ñom bi metti na trop bilay wallahi seen mbokkum Malick Gueye la bëgg dëkkam gis ngeen ko nii tali baa ngi nii tali bi ñu sonn du ci wax duñu taay du ci wax gis ngeen tali bi nii yàlla xam na ko Kër Matar Gueye ñetti commune ñoo ko seq Jandeer Pout Kër Moussa mun ñoo am tali bu baax kon ci dimbali ñu jël de autorités yi dimbali leen ci tali bu waay sonn nañ ci trop billaay wala xol leen bib tali bu tawee wicc wiccal rek ñi ñu dun jàll duñ dem